The forum district the forum district Kalamgu. The forum district Kalamgu. The forum district Kalamgu. No forum district No forum district Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Le forum du studio Calam. Merci de rester à l'écoute des programmes du studio Kalangou. Il est 18h15 minutes dans ce studio. Très ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi 23 février 2017 et c'est l'heure de notre rendez-vous quotidien tous les soirs du lundi au vendredi où nous débattons de sujets qui préoccupent, qui vous préoccupent. Euh, ce soir, il sera question de viol. Dans ce débat, les types de viols, leurs conséquences et la peine qu'encourent les coupables le viol. Pour cela, nous serons en compagnie de Madame Meiga Zalika, coordinatrice de l'ONG Femmes Action Sociale Développement, et un autre invité qui restera au bout du fil au cours de cette émission. Lui, c'est Monsieur Arbi Djouri Amadou, juge des mineurs du tribunal de grande instance de Difa. Bonsoir à tous, et bienvenue au micro Diallo Mariama Kenda. Comme annoncé, je suis en compagnie de Madame Maïga Zalika, coordinatrice de l'ONG Femmes Action Sociale Développement. Bonsoir, Madame. Bonsoir à vous aussi. Merci d'être venue au studio Kalangou. Euh, nous avons également Monsieur Djouri Arbi, Monsieur Arbi Djouri Amadou, juge des mineurs du tribunal de grande instance du DIFA. Bonsoir à vous, euh, Monsieur Arbi Djouri. Bonsoir, madame, bonsoir. Et merci d'avoir accepté d'être des nôtres. Le viol au Niger est-il un phénomène répandu euh, Je commencerai par les dames. Madame Maïga Zalika. Le viol au Niger, c'est une triste réalité. Ce n'est pas comme dans les autres pays, euh, mais chez nous, ça existe les, le phénomènes, les qui méritent aussi euh, vraiment ces, phénomènes euh, mérite qu'on s'intéresse à ça. D'accord. Nous allons donc nous revenir euh, sur pourquoi vous nous dites que c'est un phénomène hein, qui s'intéresse, qu'on s'occupe ou qu'on parle de, de, lui. Et nous allons à présent écouter euh, je le disais, M. Arbi Djouri Amado, juge des mineurs du tribunal de grande instance euh, euh, de Difa. On sait que Difa est en proie à une insécurité, à une situation d'insécurité. Est-ce que cet état de fait influence le tableau ou non, les cas de viol dans cette région Merci beaucoup, madame. Comme vous l'avez dit, l'intention des la, laquelle infraction est classée au chapitre 8 de notre code pénal parmi la catégorie des attentats aux mœurs. Donc, euh, il est prévu à l'article 283 qui, en tout cas, a fait l'objet, comme on appelle, euh, et a, a modifié la loi numéro 2003-25 du 13 juin 2003 qui définit le viol comme étant tout acte de pénétration sexuelle, pénatrice qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contre menace ou surprise. Donc, euh, je tiens à vous préciser qu'à ce niveau-là, il y a, la loi a consacré deux articles. Et autant pour moi, trois articles au viol. Avant d'en arriver, Monsieur Arbi, mm. Diori. Amadou. Avant d'en arriver euh, à, ces articles, nous, on voudrait vraiment savoir si euh, le viol est un phénomène qui, est répandu, précisément à DIFA. Au-delà des infractions contre les, biens et les personnes, les infractions contre les morts occupent vraiment une place euh, très, très importante de notre société. Précisément ici à DIFA, eh, quand on essaie de, de, de, se référer au rôle, il ne se passe pas un seul rôle, une seule audience, sans qu'il n'y ait peut-être, euh, comment on appelle, un cas. Un cas, je ne parle pas d'un un cas de vol parce que le, le viol s'est exprimé tout seul. On appelle la peut-être pour juger, pour connaître cette infraction. Mais, quand on essaie de. de, de, de Monsieur Arbi Diori. Monsieur Arbi Djori, euh, nous allons vous permettre de, revenir tout à l'heure euh, sur cette question. Euh, en attendant, nous allons écouter donc Dr Sani Yahya Janjouna. Donc, il est socio-anthropologue. Nous l'avons interrogé sur ce phénomène. Il, donc, il donne dans un premier temps hein, les différents types. Il nous parle dans un premier temps des différents types de viols. Le viol s'entend sociologiquement et anthropologiquement comme quelque chose qui ne rentre pas dans une réglementation sociale retenue de façon consensuelle dans une société donnée. Mais le viol aussi peut être personnalisé. Cela voudrait dire il y a l'intégrité physique, l'intégrité morale qui renvoie en fait, si vous voulez, à la pudeur, à la dignité, à l'honneur d'une personne. Si on parle de viol de femme, dites-nous, est-ce que selon les selon vos, enquêtes, on peut dire que le viol des femmes euh, est un phénomène répandu dans notre pays. Il est présent dans toutes les sociétés au Niger. Cependant, il n'est pas aussi développé comme on pourrait le constater dans certaines sociétés. Le viol des femmes au Niger revêt deux formes. Il y a une forme explicite et il y a une forme implicite. La forme explicite, c'est la forme qui est vécue mais aussi visible en termes d'expérience que la femme aura vécue en tant que victime et qu'il y a des preuves concrètes étant entendu qu'on a porté atteinte à son intégrité physique. L'autre forme de viol implicite, c'est cette forme de viol en termes de tentative qui ne rêvait pas un contact forcément physique et qui ne rêvait pas nécessairement l'entretien des rapports sexuels avec la femme en question. Mais aussi, il ne faut pas qu'on perde de vue tous les paramètres qui y concourent, genre attentat à la pudeur, violation d'un certain nombre de, de, règles liées à sa vie en tant que femme, sans pour autant porter atteinte à ses droits d'un point de vue physique. Voilà les deux formes que révèle le viol au Niger. Et c'est partout présent, en ville, en campagne, dans toutes les sociétés au Niger. Parlez-nous de ce type de viol. Est-ce qu'on assiste dans nos sociétés à beaucoup de cas euh, Le viol implicite, il y en a beaucoup. C'est l'attentat, par exemple, à la pudeur, mais aussi ce sont les petits actes d'attouchement ou même liés au harcèlement dans les bureaux, dans les services, si vous voulez, de façon générale, dans les familles ou dans les rues, dans les écoles. Tout ça, ce qui renvoie pas nécessairement à l'acte, mais qui renvoie en fait au harcèlement, mais ensuite à l'attentat à la pudeur, à des choses qui ne compromettent pas, qui ne mettent pas euh, directement aux prises euh, le violeur et puis la victime en tant que telle, mais qui renvoie en fait, si vous voulez, à une certaine forme de détérioration de la qualité intrinsèque en termes de moralité de la femme qui semble être définitivement toujours la victime. Docteur Sani Yahya Janjouna, socio-anthropologue, vous l'avez entendu, nous l'avons tous entendu, Madame Meiga Zara est donc coordinatrice de l'ONG Femmes Action Sociale et Développement. Alors, on parle des types de, viol. viols. Est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, ici, donc, vous, vous avez plus eu affaire à quel type, euh, à quel cas de, viol Là, merci. Donc, les cas qu'on a eu à gérer, c'était euh, le cas d'attouchement, cas de viol physique. Euh, le deux cas qu'on a géré donc euh, c'était un boy qu'on laissait une petite fille. Et là, les parents sont venus nous voir pour nous exposer ces cas. Donc, moi je dis, le cas là, c'est des attouchements parce qu'il n'a pas fait l'acte. Mais il a été surpris quand même. Donc, ils sont venus me voir, nous voir comme, en tant qu'ONG. Donc, euh, et le deuxième cas, lui, c'était le papa de la fille même qui est venu vers nous nous expliquer que sa fille a été violée. Et là, c'est un cas vers Tulabiri. Donc là, vraiment, lui, c'est une grande personne et une petite fille de 10 ans. D'accord. Donc nous allons revenir plus sur euh, les détails de, ces deux cas euh, dont vous parliez tout à l'heure. Euh, nous sommes à présent avec M. Monsieur Arbi Diori Amadou, je le disais, il est juge des mineurs du tribunal de grande instance de DIFA. Monsieur Arbi Diori, vous nous entendez? Oui, madame, je vous entends, Alors, vous venez d'entendre le socio-anthropologue euh, Sani Jonjouna qui parlait des différents types euh, de, de viols. Euh, vous, à, votre niveau, est-ce que vous pouvez confirmer ces, cas de, de viol malheureusement, nous, moi, nous, on est des juristes, on n'a pas la même après, comment on appelle de la question. Parce que quand il parlait de viol, de viol, et il part faire même un lien entre le viol et comment on appelle l'attentat à la pudeur et comment on appelle l'attentat à la pudeur, les, harcèlements sexuels et autres. Et pour aussi rejoindre le truc par rapport même à la coordinatrice qu'elle avait dit, le viol, quand on dit viol, c'est le viol. C'est le viol. C'est pourquoi dans jeu, quand j'ai commencé à intervenir, je disais que il y a les, infractions contre les meurtres, Les infractions en... ont sont classés en différentes classifications. Donc il y a les infractions contre les biens. Dans le cadre, il y a, il y a les vols, il y a l'abus de conquête, il y a les l'escroquerie, il y a les infractions contre les personnes dans lesquelles il y a les CBV, les coups de blessure volontaires, et il y a les infractions contre les mœurs. Donc parmi ces chapitres des infractions contre les mœurs, il y a effectivement le viol. Il y a, comme on appelle le harcèlement sexuel il y a l'attentat à la pudeur. Tout ça c'est des infractions contre l'humain. Donc je ne vois pas par comment on peut parler de viol sans pour autant parler, on appelle, de, parler de pénétration sexuelle, sans pour autant parler, comment on appelle, du consentement de tout ce qui prévoit l'article 283. Alors Donc vous... on ne peut pas vraiment avoir Alors vous... D'accord. Alors vous, dites-nous, quel cas, de viol vous, gérez plus à DIFA il n'y a qu'un seul cas de viol. Il n'y a qu'un seul cas de viol, le cas prévu par l'article 283. On ne te comprend pas, madame. Il y a, un fourre-tout que qu'on appelle les infections consommées. parmi il y a à la Monsieur, Monsieur Arbi, si vous êtes à côté d'un téléphone ou de votre poste euh, radio, est-ce que vous pouvez vous en éloigner ou l'éteindre carrément Parce que là, euh, ça fait vraiment défaut, on ne vous entend pas très bien je ne dis pas c'est l'appel à la prière. D'accord. Et il y a effectivement le nouvel est un phénomène qui à Tifa. Le, le, le nouvel est effectivement un phénomène chrétien à Tifa. Pour répondre à votre question. D'accord. Euh, nous poursuivons avec euh, donc euh, la question que je vous avais posée tout à l'heure. Est-ce que aujourd'hui à, à, DIFA, c'est des cas qui sont répandus Est-ce qu'on a beaucoup de cas de, de viol dans cette région Et qui commet ces viols et à l'endroit de qui ces viols sont, commis Effectivement, le viol, ça ne fait pas longtemps, on avait clôturé les assises qui ont commencé du 30 au, Au 5 février dans le rôle des accusés. il y avait eu deux cas de viol, deux cas de, deux dossiers de viol. Et tous les deux dossiers, malheureusement, sont des dossiers de Jindimi. Le, le, le, comment parmi les accusés, il y a un qui est nigérien, l'autre qui est centrafricain. Ici même, euh, le, problème auquel même on est confronté assez souvent, c'est le fait que les victimes elles-mêmes, elles gardent silence. Les victimes, ce n'est pas de tous les cas que les victimes, c'est juste les, les comment on appelle, dénoncent pas. Elle ne note pas, toi elle ne donnent pas. C'est soit quelqu'un du quartier, quelqu'un du quartier, ou bien quelqu'un qui aurait eu information de la commission de cette infraction qui saisit le procureur ou bien quelqu'un du milieu pour l'informer des décès. Une fois la personne interpellée, la, victime elle-même, elle, daigne elle elle même à, à, à, se splitter. Donc, du coup, ceux qui prennent toutes, comment on appelle, toutes les matins, à une procédure judiciaire, ça veut... que la victime elle-même, elle se ah. Il peut y avoir des cas de viol qui ne sont pas signalés. Il y a des cas de viol effectivement qui ne sont pas signalés. Beaucoup de cas d'ailleurs qui ne sont pas signalés. Assez souvent, avec le contact avec ma qualité de juge de mineur, le contact avec les différents chefs de quartier, dans nos causeries, il ressort que effectivement il y a des cas de ces genre-là. Mais les, victimes, elles ont, elles, ont, elles, ont peur de dénoncer. Surtout que la plupart des cas en tout cas, je ne veux pas tester ici ou grec, c'est surtout les, certains, comment on appelle, les porteurs de tenue les porteurs de trinité qui viennent à mission, à, à tout ce sont eux-mêmes les auteurs de ces genres là Mais quand même, la population elle-même, elle-même, elle est politique. Elle ne coopère pas. Elle ne coopère pas. Que ce soit ça les parents, nous allons revenir à vous euh, aussi euh, à la coordinatrice de l'ONG. Pour l'instant, nous écoutons euh, une fois de plus le docteur Sani Jeanjouna. Le viol, dans sa forme explicite, est beaucoup plus présent dans les villes. Pourquoi Parce que tous les paramètres sont réunis pour permettre effectivement cet acte. Pourquoi en ville Parce que d'abord, la ville, c'est un fort regroupement d'individus en termes de volume, en termes de densité, en fait même à la perception du statut de la femme dans la société, ce qui peut dans une certaine mesure contraster selon les uns et les autres. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est que concrètement, le viol en ville est beaucoup plus porté sur les petites filles en un Pourquoi les petites filles Parce qu'elles s'exposent plus. Alors, petites filles de quel âge à quel âge adolescentes généralement, dont l'âge est compris entre 10 et un peu moins de 18 ou un peu moins de 20 ans. L'esprit est très faible au point où elles font l'objet de beaucoup de prédation vis-à-vis de certains individus. Docteur Sani, Maman Sani Janjouna, socio-anthropologue. Monsieur, Madame Zalika, coordinatrice donc de l'ONG euh, Action Femmes Action Sociale et Développement. Vous avez donc entendu le socio-anthropologue. Il parle donc de cas de viol plus fréquents dans les villes et les âges concernés, les enfants, les victimes concernées par ce viol. Est-ce que vous avez, vous pouvez confirmer cet âge ou bien nous dire s'il y a des enfants ou peut-être euh, des âges plus avancés, des femmes qui sont victimes euh, de viol oui. Et ce phénomène vraiment existent dans les villes. C'est vrai parce que les petites filles sont exposées dans les rues. Il y a aussi l'éducation. Il y a comment les filles se comportent. Il y a vraiment aussi, je veux dire, il y a aussi la pauvreté et la négligence de parents. Alors, alors les, victimes, je, parle des petites filles, euh, on parle d'une tranche euh, d'âge euh, de, de, de, de 10 à 15 ans. Est-ce que vous avez eu à vérifier cette tranche d'âge Oui, c'est exactement la tranche d'âge de 10, 12 à plus on ces problèmes. Alors, vous avez parlé de l'éducation de ces filles, du fait que ces filles se retrouvent euh, dans la rue. Dans ces deux cas que tout à l'heure euh, vous avez énumérés, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans, le premier cas Le cas du premier vol que j'ai parlé, donc notre ONG, nous sommes là pour orienter vers le juge de mineurs. Donc, en ce cas-là, nous les avons euh, euh, orientés vers le juge euh, de mineurs. Et il s'agissait de, qui était concerné, je parle de, la victime et aussi de l'auteur du viol. Oui. En tout cas, nous, nous avons orienté les parents qui sont venus nous dire, voilà, voilà, pour leur fille a été violée. Donc, le premier cas, c'est ici. Et le deuxième cas, c'est à Tulabir. Et la fille, elle avait quel âge et il y a le premier cas, la fille a 10 ans et le, euh, le garçon 15-17 ans. Alors, si je comprends bien, on est dans un cas où le viol a été commis par lui aussi un mineur. Nous avons en ligne, comme je vous l'ai dit, Monsieur M. Arbi Djouri Amadou, juge euh, des mineurs du, tribunal de grande instance de DIFA. Alors, Monsieur M. Arbi, vous avez écouté, nous avons un cas où le viol a été commis par un mineur. Alors, comment euh, gérer ce dossier Lorsque, que, on appelle, le, vieux viol a été commis par un mineur. Et comme on appelle, nous, on est saisi que par le procureur de la République. C'est le procureur de la République qui saisit le juge des mineurs suivant un réquisitoire introductif. Maintenant, à travers ce réquisitoire-là, lorsque nous recevons ce dossier, nous allons, dans un premier temps, essayer d'inculper l'enfant, d'inculper l'enfant, et, et, comment on appelle, apprécier, voir s'il dispose d'une garantie de représentation à justice pour voir s'il y a lieu de le mettre à liberté provisoire ou bien s'il y a lieu aussi de le déposer, conformément à la loi. Après, nous allons ordonner une enquête sociale pour voir les conditions dans lesquelles cet enfant-là est éduqué. Vous voyez. Après l'enquête sociale, nous allons essayer de, comment on appelle, de procéder à l'interrogatoire au fond et toutes les autres restrictions qui sont nécessaires pour la manifestation de la vérité. Nous allons aussi, et comment on appelle, ordonner une expertise, une expertise, comme euh, euh, comment on appelle, une expertise médicale afin de, afin de savoir si réellement le viol a été commis ou non. Parce qu'à travers l'expertise, vous n'êtes pas sans savoir que l'expertise médicale, c'est déjà de cas, aide beaucoup le juge dans sa décision. Vous parlez de diagnostic médical, nous allons y en venir. Euh, beaucoup de facteurs expliquent euh, le, phénomène de viol et les cas se trouvent, on l'a dit assez souvent dans les villes, vous l'avez entendu. Ces raisons sont multiples et diverses. Selon docteur Sani Yahya Janjouna, nous l'écoutons une fois de plus. Il y a des aspects psychologiques. Quelqu'un qui en conflit après avoir essuyé une grande déception ou après avoir constaté que la société ne lui donne pas toutes ses faveurs qu'elle offre aux autres, elle peut s'enclencher en lui un autre euh, souci justement de vouloir se venger psychologiquement sur la société en s'attaquant à ses perles, notamment les petites filles et en les violant. Donc un désir inassouvi d'une jeunesse ratée ou encore une certaine forme de conflit qu'il développe, qu'il va vouloir, vaille que vaille, entretenir avec la société. Vous avez parlé des filles qui s'exposent, qui sont exposées, pas parce qu'elles le veulent, mais par des situations, par exemple, quand on prend euh, la ville, la région de Maradi, on voit que ces petites filles sont beaucoup des, il y a beaucoup de petites filles qui sont des commerçantes. Il n'y a pas seulement que Maradi, mais Maradi est quand même est un exemple où on trouve plus de filles, de petites filles commerçantes. Est-ce que ce type de situation peut exposer ces, ces enfants à, à, ces risques de viol Là, Dans notre société, le fait de l'isoler peut compromettre effectivement sa, sa situation. Les prédateurs sexuels sont omniprésents et ils attendent la moindre occasion. Une fille qui vend quelque chose, quelqu'un peut vouloir la retirer et la mettre dans sa maison. Alors s'il s'enferme, tout est possible. Donc, ce qui amène euh, en fait un peu cette situation contraignante vis-à-vis des petites filles en les exposant dans ce genre de situation pour bloquer effectivement leur capacité à s'épanouir. Y a-t-il d'autres raisons, euh, souvent les victimes, euh, pour lesquelles les raisons pour lesquelles les victimes sont, sont violées euh, Madame euh, Maïga Zalika, est-ce que vous avez d'autres cas, d'autres raisons qui, euh, en tout cas, qui, qui exposent ces, filles Et Voilà pourquoi on a parlé de la pauvreté. Et le cause des viols, à la pauvreté de famille, des jeunes filles, et vraiment là, c'est la pauvreté parce que ces filles-là sont exposées. Ces filles-là sont exposées dans la rue en cherchant de l'argent, donc... Euh, en faisant des petits euh, petit Oui, en faisant des petits commerces. bon, elles sont exposées aussi qu'on peut leur donner un peu d'argent et c'est fini. Et, le, rôle euh, des, parents dans, ces situations Donc, le rôle des parents dans cette situation, voilà, voilà pourquoi nous, euh, notre ONG a initié de faire des séances avec des parents pour les conseiller de mettre les enfants à l'école et pour promouvoir euh, l'éducation de la jeune fille. La, scolarisation de la jeune fille au Niger. <coughs> Monsieur Arabi, Monsieur Arbi, pardon, Djouri Amadou. D'accord. D'autres raisons euh, pour euh, d'autres raisons de, viol, par exemple dans la région des Difa, ici on a parlé euh, du commerce, de la pauvreté. Y a-t-il d'autres raisons qui expliqueraient ce phénomène Non, il, faudrait peut-être ajouter le fait que, et, comment on appelle cette pratique-là des jeunes qui consistent à le fait de vouloir tout copier l'Occident il me, plaît de vous rappeler qu'en 2016, il y avait, comment on appelle, deux jeunes, les trois scolaires, ils sont dans la même classe. Donc les deux jeunes garçons ont enlevé la, euh, leur camarade fille, mineure. tous sont mineurs. Donc après, il y a, comment on appelle, un qui était parti faire le quête, pendant que l'autre mettait son doigt dans son sexe. Donc à tout le rôle, il, il, faisait ça. Et avant même ce cas, on avait encore plusieurs autres. Plusieurs autres surpris même à Rien que, elle ne même pas le dernier cas qu'on avait eu. Donc tout à l'heure, moi, je me dis que ce n'est pas la pauvreté, ce n'est rien d'autre que le fait que les enfants, là, ça donne, comment on appelle, au crime, au crime, au, au occidentaux, dans lesquels ils voient certaines pratiques qu'ils essaient eux aussi de copier. Et toujours est-il que, comment on appelle là, euh, comment on appelle là, toujours en 2007, à Niamey, même une fois même, je m'apprêtais à aller à Niamey pour une formation, il y avait un grand frère qui m'avait en contact avec euh, un monsieur de Niamey. Donc il y avait son enfant, un, garçon, un petit garçon d'à peine 7 ans. Donc il fréquentait une école de la place dont je ne vais pas dire le nom. Donc, le garçon s'est fait violer par un autre garçon de ce du même âge que lui, dans le même âge établissement. Donc lorsque j'étais venu à Niamey, le monsieur m'avait rencontré, le père de l'enfant m'avait rencontré et il m'avait demandé quels sont, comment on appelle, les, moyens qui sont à lui pour aider de la vie. Mais là, est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de l'éducation aussi oui, il y a l'éducation, il y a l'éducation. Ce que j'aimerais que je, je, madame la directrice, euh, la coordinatrice comprenne, c'est pas seulement, le viol n'est pas seulement commis contre la femme. Non, depuis un certain temps, euh, comment on appelle, la, conception du viol a évolué. Le viol, un homme peut commettre, peut violer un autre homme, tout comme une femme aussi peut, euh, violer une autre femme. Le viol, mais par la, nouvelle loi 2003, il le fait de mettre son, son doigt, soit dans l'anus ou bien soit dans le vagin, Arbi, je, vais vous arrêter pour vous demander quel est le commentaire, quelles sont les explications euh, que vous faites sur le viol d'un mineur sur un autre mineur Bon, là, c'est une infraction comme, les autres. C'est une infraction comme les autres parce que la loi, la loi avait, euh, prévu des circonstances aggravantes. Lorsque le viol est commis sur un mineur, un mineur, un mineur âgé du moins de 13 ans, c'est une circonstance aggravante. Mais faudrait-il encore que ce viol soit commis par un major mais un mineur, qui peut-être n'a même pas encore 10 ans, qui viole encore un autre mineur de, 9 ans, là, la question vraiment, elle n'a pas été traitée par la loi, je, vous avoue, madame. Peut-être le jeu serait amené à faire des gymnastiques pour essayer de voir comment régler le cas. On parle toujours des raisons, <clears throat> des raisons de viol, excusez-moi. Souvent, on entend les victimes dire, et tout à l'heure, nous avons eu le cas avec la coordinatrice de, l'ONG euh, Femmes Action social développement qui parlait euh, euh, d'un proche qui travaillait donc d'un monsieur qui travaillait dans une maison qui a violé donc une petite fille on parlait pas d'abus de confiance. Est-ce que souvent, euh, à DIFA, vous gérez des cas où ce sont soit le cousin, l'oncle, le neveu, en tout cas des proches de la famille qui ont commis ce viol La fois passée, ça ne pas, pas moins de trois semaines, il y avait un porteur de tunique qui avait pris un donc quand il avait pris la fille en mariage, deux semaines après le mariage, la fille avait accouché. Donc euh, il s'est avéré que la, comment on appelle la, fille sa mère est domestique dans une autre maison. Et c'est là-bas, la maison dans laquelle elle est domestique, c'est là-bas que les jeunes hommes se créent des relations sexuelles avec la fille, jusqu'à l'engrosser. Donc ça, ce cas ne, fait même pas deux mois. Donc après, quand le, mari avait constaté effectivement que la dame a été son épouse et en il avait saisi la justice et la mise humaine a été faite cette mission-là. C'est après qu'elle était venue dire que non, pendant que sa, sa mère travaillait, les, les, jeunes hommes de la maison se mettaient à la de tout ça là, alors qu'elle avait le silence. Tout ça là aussi, c'est pour dire que quand même ça ne cadre pas avec la question, c'est des, des, des, des, trucs auxquels vraiment le juge est confronté à cette fois. Parce que les victimes gardent le silence. Quelqu'un qui dit qu'elle est, elle, elle est victime de viol, qui cadre le silence pendant des années, ou bien qui au premier coup, n'a pas, n'a, pas dénoncé son auteur. Est-ce que, cela peut jouer en faveur Est-ce que cela peut jouer en faveur de l'auteur euh, du, viol, le fait de garder le silence le fait ça, ça rentre vraiment de l'appréciation des faits. Ça reste vraiment de l'appréciation. Parce que quelqu'un qui dit qu'il a été contraint à une relation sexuelle et qu'il ne dénonce pas, à moins que ça ne soit mineur, parce que la loi dit que lorsque la, comment on appelle, même la, la victime est mineure, lorsque la victime est mineure et qu'elle a consenti, c'est un viol. Alors, euh, D'accord. L'insécurité à DIFA, par exemple, euh, je, vous ai posé cette question euh, au tout début de cette émission. la ligne n'était était pas très bonne. Est-ce que l'insécurité a favorisé, par exemple, l'augmentation de cas de viol dans cette région Bien sûr que la sécurité a, beaucoup contribué à, ce phénomène, Je vous avoue qu'on est même là en train de voir comment saisir même les, comment on appelle les acteurs intervenant dans le domaine afin de faire des campagnes de sensibilisation. Elle a beaucoup, elle a beaucoup contribué à cela, à ces facteurs-là, quoi, avec le phénomène de couvre-feu. Dès que la fois passée, ça ne fait pas encore deux mois, il y a plusieurs cas, il y a un porteur de tenue, un cadre républicain, qui était là devant une maison. Et il était là, il voyait une fille passer. Et c'était déjà l'heure du couvre La fille ne pouvait pas rentrer chez elle. Elle était rentrée dans la maison du, du, porteur de tenue qui avait fini par entretenir des relations sexuelles avec elle. Après, quand elle était rentrée, elle avait dénoncé ce, ce, ce, ce cadre républicain-là. Donc, une information judiciaire a été ouverte contre le cadre républicain pour l'effet de viol. Il avait réussi à prendre la fuite. Euh, ça, ça ne fait pas deux mois qu'on avait ce cas-là. Est-ce qu'on a des chiffres Est-ce qu'on a des chiffres en ce qui concerne cette situation abordons la deuxième partie de cette émission pour parler des peines que risquent les auteurs de viol. Euh, on écoute euh, avant euh, un constat, mais avant, comment constater réellement qu'il y a eu viol Le gynécologue docteur Ilia Outier revient sur le diagnostic qui, qui est fait à l'issue d'un viol. Nous allons d'abord essayer par la phase de ce qu'on appelle l'interrogatoire si elle est inconsciente, on passe à l'étape de l'examen clinique. Maintenant, si elle est consciente, elle va vous répondre comment se sont passées les choses. Vous allez regarder maintenant sur le plan corporel. Donc, vous regardez au niveau du cou, au niveau des seins, s'il n'y a pas de griffures ou s'il n'y a pas d'autres empreintes qui montrent qu'il y a de la force qui a été utilisée ou à la ligotée. Pourquoi au niveau du cou, au niveau des seins Au niveau du cou, parce qu'on peut l'attacher. Elle peut maintenant, suite à un combat acharné, elle peut la blesser en étant de la terrasser. Tout ça, elle peut chercher des impacts montre qu'effectivement, il n'y a pas eu consentement de la partenaire. Donc, elle l'a terrassée, elle l'a blessée. Donc, toutes ces traces-là qu'on c'est pour orienter vers la force que les partenaires ont utilisée. Donc, dès que vous voyez une trace de blessure ou d'empreinte, c'est déjà un indice. Maintenant, si vous regardez et qu'il n'y a aucune trace de blessure, il n'y a rien, maintenant vous arrivez maintenant à l'examen gynécologique proprement dit. Là, vous essayez avec tactique une mineure bon, qui ne connaît pas l'homme en tant qu'état sur le plan sexuel, une vierge par exemple. Donc, il faut que l'examen soit conduit devant un tuteur ou devant la maman ou devant tous les parents, avec la douceur, avec une sorte de, de l'art c'est-à-dire à respecter les normes, vous allez essayer d'installer confortablement donc la victime. Là aussi, vous allez essayer de regarder au niveau de ses cuisses s'il n'y a pas de traces de spermatozoïdes. Donc là, c'est un examen préliminaire. Le gynécologue docteur Ilia Ouché. Madame euh, Maïga Zalika, coordinatrice euh, de l'ONG Femmes Action Sociale Développement. Nous allons revenir sur ce que disait Monsieur Arbi le juge des mineurs euh, de grande instance du, tribunal de grande instance de DIFA sur le fait que les victimes ne dénonçaient pas, les victimes préféraient garder, cacher euh, donc euh, ce acte de, viol. Est-ce que vous, avez eu des cas où les victimes n'ont pas voulu se prononcer et garder, garder le silence Bon, oui. Je vous parle du père qui était venu me voir mais quand même, il m'a dit qu'il ne veut pas que les gens sachent que sa fille a été violée. Donc, euh, moi, je l'ai dit quand même, nous, nous allons l'envoyer chez les juges des mineurs parce qu'il est déjà venu vers nous. Donc, il dit, je l'ai demandé pourquoi il ne veut pas ça que les gens sachent. Il dit que ça va déshonorer sa fille, la dignité. Les gens en passant, on va la montrer, dire voilà, cette fille a été violée. Et vraiment, c'est pas bon. C'était ça qu'il m'a dit. Euh, moi, je l'ai conseillé d'aller chez le juge des mineurs. Tout ça là, c'est pour arrêter. Sinon, les autres vont encore continuer. Alors, Monsieur Arbi Djori Amadou, juge des mineurs du, du d'accord du tribunal de grande instance de DIFA, euh, le constat, le, diagnostic euh, euh, dont vient de parler le docteur, le gynécologue, est-ce que vous vous en servez souvent dans, les différents cas que vous avez à gérer On en sert beaucoup parce que, comme je le disais, comme on appelle tantôt, tout part, on appelle, de l'expertise et comme on appelle médicale, de l'expertise gynécologique, comme on le dit. Mais à cette fois le problème auquel nous, on est confronté, magistrat, c'est que les termes, les termes, les termes de l'expertise, vraiment, comme comment on appelle, sont creux. C'est des termes vraiment qu'on n'arrive pas, à, à, à déveiller, on n'arrive pas à, à, savoir leur vraie signification. Et aussi, les juges, vois, ils laissent le juge, ils ne concluent pas. Ils ne concluent pas. Ils concluent ou bien en hésitant, ils disent qu'il y a eu il y a eu là. Non, non. C'est ça le problème auquel nous faisons. Ah, alors. Alors, Monsieur Arbi Diori, vous dites que vous avez dit que les diagnostics sont creux et, sont creux et qu'il n'y a pas de conclusion. Nous, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire cest que les termes, quand un médecin, quand un gynécologue fait un, diagnostic, les termes dans lesquels le, diagnostic est fait, nous, on ne sait pas, on a du mal à comprendre que le gynécologue ou bien le sachant V2 on a du mal à comprendre ce qu'il veut dire. Ou bien, quand, ils font, quand ils font, comment on appelle l'expertise, l'expertise n'a pas de, conclusion. Ils ne peuvent pas venir conclure pour dire qu'effectivement, nous que à travers les constats que nous avons faits, voilà ce que nous avons constaté. Non, non, alors, finalement, alors finalement, le jugement repose sur quoi Non, mais le jugement, comment on appelle, je vous, je vous affirme que le juge n'est pas, pas par aucun acte c'est des, êtres, comme euh, comment on appelle, qui, ne, sont qu'à titre, euh, qu titre, de simple renseignement, comme on le dit. Comme on le dit, il y, a, beaucoup de facteurs, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels le juge s'applique pour prendre sa décision. Quelqu'un qui dit qu'il a été violé et il dit que son notaire a eu à lui faire ça pendant 10 fois. C'est la 11e fois qu'il vient, il dénonce. Ou bien quelqu'un, la position, rien qu'à travers même la position dans laquelle l'être a été passé, ça laisse décider l'exactitude les faits, madame. Mais le juge n'a pas seulement, quand les expertise, il, il, il, au expertise du juge. Elles permettent au juge voilà, de comprendre comment les, faits sont passés. Mais au-delà, au-delà de tout cela, qu'on est quand l'expertise, le juge peut avoir sa propre appréhension des faits à travers les éléments de nous allons euh, euh, directement euh, écouter les conséquences des viols sur les femmes avant de revenir sur les peines qu'encourt l'auteur d'un viol. La conséquence la plus immédiate, c'est la transmission des IST, donc les infections sexuellement transmissibles, à savoir la monococotine, l'hépatite et la syphilis, et l'autre grande maladie, surtout, surtout les sujets. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, ces gens qui violent, en fait, c'est des gangs. Donc, vraiment, c'est la plupart, c'est des toxicomanes. Et c'est ce qui fait que le risque, l'autre risque encore, c'est de contracter une grossesse qui n'est pas désirée. Donc, vous voyez la conséquence. D'abord, sur le plan donc, euh, social, c'est que ça fait. Après un jeune, tu vas maintenant avoir une grossesse et tu ne connais même pas l'auteur. Parce que, et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous, quand on nous adresse ces genres de demoiselles, donc la première des choses, il faut chercher toutes ces différentes maladies, là, sexuellement y compris les sida. Et après, maintenant, vous êtes obligé de faire une prévention. Donc, automatiquement, on met une contraception d'urgence ou quand même où cette femme-là risquerait d'être enceinte, donc ça va être neutralisé. Et on met automatiquement aussi cette demoiselle-là ou cette victime-là sous une antibiothérapie, donc euh, pour prévenir effectivement toutes les autres maladies qu'on a parlé. Ça veut dire que cette dame ne doit pas rester, c'est-à-dire après le viol, elle doit immédiatement se rendre à l'hôpital si elle a l'opportunité ou l'occasion. C'est le conseil que vous, en tant que journaliste, après viol, de ne jamais rester à la maison. Parce qu'on peut avoir une grossesse où on ne connaît pas l'auteur, on peut avoir toutes les maladies sexuellement transmissibles. Et personne, avec le temps, si c'est avec le temps que vous allez faire la déclaration, personne ne va vous croire. Le gynécologue docteur Ilia Ouché Madame euh, Maïga Zalika, coordinatrice de l'ONG Femmes Action Sociale Développement, rapidement, euh, vous avez entendu les conséquences directes euh, du viol sur les victimes. Qu'est-ce que vous avez à ajouter par rapport aux femmes, aux, parents qui ne veulent pas dénoncer, qui veulent garder le, le secret de cet acte Effectivement, voilà pourquoi j'ai dit aux pères, aux femmes, toutes les femmes, euh, de dénoncer. parce que cette fille, par exemple, que le père est venu me voir, peut être tombée enceinte ou atteinte du sida. Donc vraiment, il faut dénoncer pour qu'on prenne des dispositions pour voir l'amener directement peut-être euh, au traitement et pour lui faire des visites, voir si elle n'est même pas tombée enceinte. pour dire que le viol n'est pas un acte qu'il faut cacher. Oui, le viol est à dénoncer. Euh, nous sommes avec M. Arabi Djouri Hamadou. Alors, euh, les peines, la peine euh, que qu'encourt donc l'auteur d'un viol, en réalité, va de combien d'années Bon, mais, madame, comme je l'avais tantôt dit, une infraction criminelle. Les infractions criminelles sont punies de la peine au minimum de 10 ans. Donc, dans la classification des infractions, il y a les contraventions, il y a les délits et il y a les crimes. Donc, les crimes, c'est les plus grandes infractions pour parler à, de crimes à, terre à terre. Donc, les peines varient selon les cas. Lorsque, comme on appelle, c'est un viol simple, donc la peine varie de 10 à 20 ans. Lorsque c'est un viol simple. Et, et c'est quoi un viol simple mm. Bon, il y a les viols simples, il y a les viols aggravés. Le viol simple, c'est lorsque un major commet peut-être viol un autre major. Mm. Un autre notre major sur lequel peut-être il n'a pas, parce que la loi avait, aggravé la situation du, de l'auteur du viol commis sur un mineur de, moins de 13 ans. Lorsque le viol est commis sur un mineur de moins de 13 ans, la peine varie de, de 13 à 15 ans. Lorsque la, la, victime est âgée de moins de 13 ans. Maintenant, si c'est un enseignant ou bien quelqu'un, un tuteur qui est là, qui a une fille chez lui, qui a une fille chez lui, ou bien quelqu'un qui est là, qui a le fait d'avoir une autorité de quelqu'un, et que vous vous permettez de violer quelqu'un là, c'est l'emprisonnement à vie. Alors, est-ce qu'on peut s'imaginer, est-ce est qu'on peut s'imaginer une peine de, de 3 ans avec sursis Trois 3 ans, j'ai dit 3 ans avec sursis, hein. J'ai dit, j'ai dit, en matière criminelle, il n'y a pas de sursis malheureusement, mais l'article 53 du Code pénal parle des circonstances atténuantes. Lorsque la, comment on appelle, les circonstances atténuantes sont, sont accordées à on peut descendre jusqu'à deux ans, jusqu'à trois ans selon les cas. Selon les cas. Là, ça, ça m'étonnerait fort, parce qu'en matière criminelle, il n'y a pas de sortie en matière criminelle. il n'y a pas de sortie. C'est peut-être un cas d'attentat à la pudeur, ou bien un cas de de, de mineurs qui a été condamné à cette peine-là dont vous êtes en train de faire allusion, madame. Monsieur Arabi. Monsieur Arabi Djouri Amadou, merci infiniment d'avoir euh, assisté euh, à cette émission. je rappelle que vous êtes le juge des mineurs du tribunal de grande instance de DIFA. Rapidement, Madame euh, Maïga Zalika, un dernier, quelques secondes de conclusion. C'est la fin de cette émission. Qu'est-ce que vous avez à dire bon, Ce que j'ai à dire, c'est réprimer, sévèrement les auteurs et complices de viol. Appliquer rigoureusement les textes la matière. D'accord. Merci infiniment, madame. Et puis, je vous donne rendez-vous euh, demain pour un autre temps d'antenne. Ce sera avec Alassane Kouzi, Mamadou. Au revoir et à très bientôt.